cela fait trois ans que ça dure et ce n'est pas près de s'arrêter. Les vœux festifs de Nouvel An, c'est les Yabrés autour des tables bien garnies et comme c'est le cas à chaque année, l'occasion est belle ce dimanche 8 janvier au Déplateau pour souhaiter la traditionnelle bonne année au chef de la famille. nous le souhaitons une bonne année, surtout longévité, de la santé que Dieu multiplie ses faits, ses mains et gestes. Que Dieu donne la force d'accomplir ce qu'il a commencé. Et surtout du soutien, nous le soutenons. Pour une fête de famille, notre chef, qui est notre grand frère, euh, notre, notre époux, notre papa, en tout cas c'est la famille Yabré, C'est la troisième édition. Donc euh, nous sommes là pour lui souhaiter nos meilleurs voeux de, de prospérité, de santé, d'élévation surtout. La longévité, l'amour et la paix. dans nos pays. Tout ce que je demande à tout le monde, qu'on se joigne les deux mains, comme ce que nos chefs font là, pour qu'on puisse avancer. Merci à Sefia pour tout ce qu'il fait pour nous que Dieu nous donne longue vie. Un chef de famille euh, reconnaissant qui à son tour rend la balle aux membres de la fatrie. C'est une fierté pour moi de voir ma famille Yabré autour de moi. je crois que nous faisons ça chaque année. Mais cette année, nous avons quand même à grandir. Je tiens à dire qu'il faut que Dieu fasse que cette année soit une année de paix, et surtout la paix. Une année de paix, prospérité, bonheur et tout ce qui est bon. Que Dieu nous donne ça. La tradition voudrait que les filles de la famille apportent des présents à cette occasion de présentation des vœux de Nouvel An et des présents. Il en a été au rendez-vous. Je tiens à leur dire merci. Voilà, et comme je l'ai dit, ce n'est pas la première fois ce sont mes sœurs, ce sont mes filles qui sont venues vraiment nous soutenir. En tout cas, je suis fier de eux. Que Dieu fasse que nous continuions comme ça, chaque année. Parmi les invités du jour, le chef de la diaspora Bissa, capitaine Gengere ou si vous voulez, Kriuru Nankala, qui proclame haut et fort qu'il appartient désormais à la famille Yabri. C'est une fierté pour nous tous, parce que la famille Yabré, le chef Yabré n'est pas seul le sable Yabré est avec toute la communauté. Alors vous allez voir qu'ici, ce n'est pas que la famille Yabré qui sont là, puisque nous-mêmes, nous sommes là. vraiment, c'est une félicitation parce que c'est ce que j'ai dit, quand la famille est unie, qui devient fort. Et quand nous sommes venus faire quand même le constat, vraiment, vraiment, c'est vraiment une jovialité pour nous. Parce que c'est rare quand même des familles qui puissent se retrouver comme ça. Mais avec SAB Yabré, euh, je pense que c'est avec euh, la lutte qui est de mener. Et Seb Yabré, vous voyez, c'est quelqu'un qui vraiment qui réunit tout le monde, qui rassemble tout le monde. Je souhaite euh, ben, les vœux le meilleur. Que le Seb Yabré et moi, vraiment, je souhaite que cette année 2023, que Dieu lui donne surtout la longévité, parce qu'il faut avoir la santé de faire d'abord avant de faire un combat. Que tout ce qui cherche, qui réussisse, et que lui et moi, nous prions que Dieu fasse qu'on voit jusqu'au-delà de notre qu'on a Chef de la famille Yabré à Abidjan, Adolphe Koudara est également chef des communautés burkinabè des deux plateaux. Membre du mouvement Bissa Talay il œuvre aux côtés du Kriouru Nankala à la promotion et à la valorisation de la culture Bissa en Côte d'Ivoire et ailleurs dans le monde. Il faut noter les passages bien dansants des artistes Oscano et Samsoro à ce bonjour 2023, c'est les Yabri. Bonne et heureuses années.